vous, vous rappelez certainement de Frédéric Péchaud. Il était hier sur l'émission Franco Aoussa, présentée par la Miss Rim. Aujourd'hui, sur cette émission, nous allons nous entretenir avec l'artiste pour parler de trois choses. Un rat, nous allons parler de Magic Art sa maison de production. Dura, nous allons parler de Lil Wall, une production de sa maison de production. Trinity, nous allons parler de l'association Niger Hip Hop parce que cette rubrique est consacrée à l'art et ceux qui le pratiquent. Ladies and gentlemen, recevons une fois de plus Frédéric pechot sur Tous à la Fada, l'artiste mon frère, comment tu vas Je vais bien. <laughs> <laughs> <laughs> Eh, est-ce que, est que, tu vas bien Est-ce que tu vas bien Ouais, je vais très bien. Tu fais de la bien. Ouais, ouais. Grâce à toi. Hein. Tu te rappelles que hier, j'étais dit ah, stop, aujourd'hui nous sommes dimanche. Tu vas continuer ce que tu as commencé. C'est ça, aussi la Continuons ce qu'on a commencé. C'est ça, en fait, ce que nous avons commencé hier. Ok. Oui. Donc, déjà, en fait, euh, c'est l'histoire, en fait. La Calcanet, on se rappelle, c'est le premier album. 1998. Premier album nigérien. Et c'était l'album qui a fait le déclic de ce hip-hop nigérien. Parce que c'est à partir de cet album que tous les grands groupes sont nés. Oui. Waswang, Kaidan Gaskia, Choroji, Sikasi, on se rappelle de DSD qui était un solo. Il y avait de très grands hommes, de très grands groupes qui sont nés à partir de là. Une chanson de La Calcaré pour un peu rappeler cette formation et le rendre hommage sur cette émission. On va aller avec euh, ou bien on va aller avec ou bien on va aller avec euh, Zakara Akoka. On peut aller avec Zakara Akoka 1, 2, ça fait, Tout a commencé partant de, déjà de cet album. ça fait longtemps. Et, un album produit par la radio Ténéré. Ténéré. Bien sûr. Nous étions en 1998. C'est l'histoire du hip-hop, mesdames et messieurs, que nous sommes en train de retracer sur cette émission. Ah, pour ceux qui viennent nous prendre en coup, parce que Lilo, elle retrace l'histoire. C'est ça. Parlons de Magica. Magicar, en fait, c'est une boîte de production qui a été créée en 2011. Boîte de production créée en 2011. Et depuis 2011, en fait, on a fait. Euh, des réalisations hip-hop, des clips euh, des Clips, voilà, Vous vous êtes spécialisé dans ce domaine pour accompagner, le mouvement, le mouvement hip-hop. le à travers des, spots, Ok. à travers aussi la régie son et lumière. Donc du coup déjà le mec qui faisait le rap en 1996 c'est dit, bon, moi, je vais aller en retraite hein, devant, mais bon, je serai toujours dans le domaine en, fait, en, accompagnant mes frères artistes euh, avec cette euh, boîte de production. C'est ça. Donc, tu t'es spécialisé dans ça. C'est ça, effectivement. Super. Parlons de Lillois. On a commencé l'histoire en question de Lil Wall. c'est un documentaire, c'est un film qui traite de l'histoire du hip-hop made in en fait. Pourquoi Lil Qu'est-ce que ça veut dire Lil Wall ça veut dire euh, drapeau. drapeau. Voilà, et ça veut dire identité. Identité. Euh, parce que pour nous, en fait, euh, le hip-hop, notre hip-hop, c'est notre identité. Voilà, c'est nos valeurs. Mhm. Il faudrait déjà qu'on sache d'où on vient. Bien sûr. Pour savoir où l'on va. Tout à fait. Voilà. Voilà, donc c'est en fait c'est l'un des objectifs de l'île Ok. Irma Woden. Alors, Liloual retrace l'histoire du hip-hop made in Niger, du début de la première génération aujourd'hui. Des années 80, parce que ça a commencé par la danse, ça n'a pas même commencé par le micro. Ah, voilà. le hip-hop aussi, c'est la danse. Pour hein. découvrir ça, il faut voir le film. Tout simplement. Et le film est à voir le 22 et le 23, c'est ça Old school, new school, ancienne génération et nouvelle génération sur un même podium. Tout simplement. Frédéric Pécho, président de l'association Niger Hip Hop. Parlons de cette association pour finir en beauté. C'est quoi l'association Niger pop euh, L'association Niger pop c'est une association qui a été créée en fait pour pouvoir structurer et vraiment prendre des objectifs pour exporter ce hip-hop. On aimerait que ce hip-hop soit vu à l'extérieur, entendu à l'extérieur, que nos artistes soient sur les festivals à l'international. Et vous avez préféré garder l'ancienne appellation hip-hop à musique urbaine, c'est ça C'est ça. Parce, que, hip-hop, on sous-entend voilà, musique urbaine. Pourquoi ah. musique urbaine Parce ah. que le hip-hop... c'est un dérivé. C'est-à-dire du hip-hop est né plusieurs styles musicaux. Voilà. Et il y a beaucoup de hip-hopers en fait qui ont migré sur ces styles. Et ça fait partie tout ça de ce hip-hop. Point dans tant de ça Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Vous le savez déjà, à chaque occasion, nous donnons l'occasion à l'artiste de s'exprimer. Chaque occasion, une occasion. Donc, euh, à cette occasion, Frédéric Péchaud s'exprimera. Donc, en fait, j'invite euh, tout le public nigérien, ancien comme jeune, de venir voir l'histoire de ce hip-hop nigérien le hip-hop qu'on a tant aimé, le hip-hop qu'on aime tant et le hip-hop qu'on voudrait voir à l'international. Accompagner un artiste, c'est accompagner la culture. Accompagner la culture, c'est accompagner la nation tout entière. Fraternisons, travaillons, progressons. Puisque lui, il a fraternisé avec nous, avec les artistes, il a travaillé Wall pour pouvoir faire avancer ou progresser la nation tout entière. Sur ce, machines. Et...